des prédicateurs ou donc des euh, des personnes yoo qui aujourd'hui da nga euh, intervenir dans un sens boo ils vont faire l'attaque à Ousmane Sonko attaque de nag dara parce que c'est un combat des homosexuels c'est eux aussi ils sont à la limite des acteurs euh, en toile de fond d'une xam yo xamanteni seul objectif c'est de défendre l'homosexualité en faisant semblant de def semblant ni dañoo bokk ci l'homosexualité alors que nous sommes défenseurs de l'homosexualité alors là il faut faire beaucoup d'attention parce qu'aujourd'hui le monde homosexuel est très très en alerte dans le combat bi lu mu jaral ñi Ousmane Sonko ak Diomaye lu ils ont financé des réseaux c'est un réseau de jeunes de prédicateurs et imams genre humains nous, nous dont nous sommes des homosexuels pour certains c'est-à-dire des homosexuels affirmés mais c'est des défenseurs en tout cas de ces droits yi ils font semblant que nous ne bokk pas ci criminaliser euh, mais en réalité tel n'est pas le cas pareil que les gars yi surtout l'Occident déstabilisation bi avec donc ce régime Moïse multiplier donc les attaques de partout d'accusations à l'encontre de Ousmane Sonko d'une pour que ay procès Manam parce que leur objectif c'est ça empêcher le gouvernement de fonctionner en faisant quoi des diffamation donc diffamation comme et d'ailleurs il faut comprendre parce que beaucoup n'étaient les stratégies de d'Ousmane Sonko à l'époque même fait qu'elle ne c'est pas donc des diffamations mais il s'en prenait donc au pouvoir en s'en prenant au pouvoir, il avait une manière donc de, de, de, de s'y faire. Donc par conséquent, da ngay ni actuellement bëri na ñoo xamante ni tey dañ leen a ay xaliss bu ju jeex ci lobby homosexuel yi la jugé jugee te bu len euh, euh amna ay imam amna ño ñoo dañ leena ragné ci tarixa yi sax ño xamante dañ leena nawlo nawloo ay défenseur lañ parce que dans le sens dañuy wara mëna attaquer Ousmane Sonko.

Je ci jàpp keneen la même chose est-ce que Ousmane Sonko a temps en justice de dem ay procès avec x y z derrière prison c'est pas un problème parce que alal le combat contre Ousmane Sonko aujourd'hui il a pris le combat contre l'homosexualité euh, pour génné ko fi et criminaliser ko te fa lañu jëm bon amna ñu naan oui na voté loi Ousmane Sonko ne peut pas pour le moment le gouvernement c'est de façon globale l'État faire voter aucune loi à une euh, au niveau d'une assemblée bo Euh, le gouvernement ou l'État actuel n'a pas la majorité pour s'assurer, se garantir que ni suñu génné une loi quelconque loi bi dina jall alors donc pour ne pas avoir donc des échecs répétés ba léegi gisoo une loi boo xamante ni initié nañ ko ci état mu assemblée mais il faut il faut nous patienter fii à septembre mu l'air l'année aujourd'hui l'état a une possibilité de dissoudre donc l'assemblée nationale Deuxième élection donc législative haute majorité boo xamante ni nous cette loi de criminalisation de l'homosexualité telle que en tout cas niñ ko au peuple sénégalais tel que niñ ko waxé won bu boba man buma gisé ñeneen lu gouvernement bi di xaar état bi ci xaar criminaliser donc l'homosexualité bu boba dina mëna am xel tay mais pour le moment ce n'est pas le cas il n'y a pas que l'homosexualité comme loi a fait voter à l'Assemblée il y a tellement de lois de réformes yu ñu wara a li tax dugagut ba c'est parce que euh, évidemment en toile de fond majorité mënuñ ko garantir pour le moment parce que assemblée également forte là. les gens jar les leen parce que ki lañ ñaan ku de naaj du xalaat du évidemment aujourd'hui ce ne sont pas des députés qui sont issus du flanc de PASTEF wala ñu bokk ci idée propre projet bi mais nous savons ni nous ñii ay opposants nous ñu génne ay pouvoir avons ñëwoon ñu Nous leen beaucoup ñeneen ñi ñoo bokkoon nekk opposition waaye am lu dox

ñi nga xamé ay sympathisants lañ des fois nga dégg ko je pense que war nañ miss lolu Ousmane Sonko attendez ñu yàq ko lu ne ñu xass ko wax ko lu ne tuumaal ko lu il <coughs> y a pas de souci donc c'est le prix de la démocratie liberté donc de parole mais bu fekkoon ni tey dafa demoon ci Massamba Mademba kooku dina ko mën a jëflante ak moom mais sa position donc de premier ministre mayu ko mu dem ci projet X ñu jàpp Y après keneen waxaat ñu jàppaat kooku keneen waxaat ñu jàppaat kooku keneen waxaat finalement dañuy dem ba lañ doon gis si Macky Sall amaat mais ñooñu bàyyi leen ñu wax du la ñoo bëgg ku leen jàpp yoon am na fii di di dëgër fit waaye xam nañ ni euh, euh, fa ñu teg stratégie du lenn lu ñu jàpp leen keneen génn waxaat lu ne mel ñu jëm ko jàppaat keneen génn c'est ça lobby homosexuel yi ñoo toll foo xamante ni dañoo def maillage filtrage donc du au niveau du Sénégal te comme ñu ci bëri alal lañ gëm donc alal jooju la ñuy jaarale maintenant pour jéem a jënd ay nit évidemment financer leen xëy ñu gont ñu yettuñu waaye kenn ëpp leen alal actuellement parce que homosexualité moo leen di dundal ci la ñuy wax nag dans un autre sens en attaquant Ousmane Sonko en cherchant maintenant à le pousser jusqu'à ses derniers donc retranchements pour dire quoi, am pour jéem am lu ko mais je pense que euh, jarul Goudalou jël bàyyi leen ñu wax imam Oui, comment on mën a ma wax ko ils sont financés par les lobbies homosexuels ils sont derrière eux pour qu'ils s'attaquent donc à Ousmane Sonko xam nañ ni li wax ci Ousmane Sonko bu amoon Ousmane Sonko du bu amoon jamono et puis compris même dans le complot à Sarr yooyu ci la bokkoon ay de complot eux qui sont derrière pour financer donc les acteurs d'attaquer attaqué mais loolu maa lay wax la rek encore une fois ces attaques là laisse les comme telles jarul partager jarul jarul siiwal jarul promotion jarul dara on les laisse faire on mène donc notre combat combat bi contre la vie chère combat contre pour la rupture combat bi lo man n'est le une réalité au Sénégal li dess yeb ak li affaire de la encore une fois tenez-vous bien les lobbies homosexuels s'activent s'activent carrément contre ce gouvernement en finançant donc des jeunes des imams des personnes qui ont fait des dans le sens de attaquer Ousmane Sonko ça peut contribuer à déstabiliser donc ce régime par des procès infinis su ko defee ñu mën am lu ñu bëgg euh, dans les prochains prochaines années yi di ñëw ñu ni waaw Sénégal etc. cetera duñ leen ci topp wax la lu leen neex mais ñun dañuy jëf Ousmane Sonko bu amé assemblée majorité dina jël ndogal yi wara jël criminaliser homosexualité ba gis kenn ko xamante muy Europe la muy France wala keneen ko ci taxaw di wax mais dafa jotagut bu jotee rek dina yomb inshallah